Nigérienne, nigérien mes chers compatriotes, surtout à la FADA, l'artiste s'exprime. Quoi Si tu oses dire hey là, si ça sort, tu vas comprendre ça. Hmm. Aujourd'hui là, c'est deux flics à Kalangou. À On va faire la loi ici. On va faire la loi. On fait déjà la loi ici. non Oui, c'est vrai. On ah fait la loi je euh, peux. Non, non, non, non. Pourquoi tu parles plus Maintenant, c'est nous qui avons la parole. Nigérien, Nigérienne, mes chers pantakilotes. Hey C'est pas kilote. Ah bon, continue. Nous sommes aujourd'hui à Kalangou. Ouais. Et on fait la loi. Ouais, c'est deux flics qui font la loi ici. Hier, deux flics à Kalangou. C'est plus Dondi. Ouais. Hey Hey les gars, euh, euh, bon, c'est comment on, lui donne la parole. Les gars, laissez-moi gérer cette situation-là. Bon, vas-y, vas-y, c'est vas bon. S'il vous plaît. Pour 5 minutes, hein, c'est bon. Sinon, non. Voilà. Vous êtes sur tout ça la fada, ladies and gentlemen. Vous êtes sur votre rubrique, l'artiste s'exprime. Vous l'avez certainement constaté, il faut la loi, il faut la pluie et le beau temps sur le studio Kalangu. Nous sommes avec deux flics à Niamey. Mais ces deux flics sont à Kalangu. Ouais, ces deux flics à Kalangu, ce n'est plus à Niamey. Hein. <laughs> voulait les Voilà, deux jeunes artistes humoristes nigériens. Il faut la fierté de l'humour mais du Niger. Ils sont jeunes. Vous êtes aussi jeunes, vous kiffez cette émission un peu partout au Niger. Eh, vous allez me parler de vous. Ah, je commencerai par qui c'est bah. qui le plus gradé entre vous C'est moi. Ah, Alors, il on va parler de toi. il fait toujours capoter l'émission. Il fait capoter l'émission. <laughs> voilà. Alors, Iboulele, tu vas nous parler de toi. On commencera par toi. qui est Iboulele Iboulele, c'est, c'est Ibrahim, donc à l'état civil. Ok. Ouais, mon nom, c'est Ibrahim. Euh, je, suis en Master 1. Ok. J'étudie l'informatique. L'informatique. Voilà, j'ai 20 ans. 20, ah, tu as 20 ans Ouais, j'ai à peine 20 ans. J'ai pas encore 20 ans, c'est dans quelques de, jours. Hein. De, toi à moi, tu as 20 ans <laughs> Non, sérieusement, ouais. Je suis né le 2 décembre 2000. 2 décembre 2000 Ouais, en fait, quand j'étais au, Comment on appelle ça Quand j'étais au primaire, donc j'étais un crack, tu vois, un peu. Ouais. C'est pour ça que j'ai sauté des classes et. Voilà quoi. Pour ça et même dans l'humour, tu es aussi un crack. <laughs> Merci, Yibou. Alors, on va permettre aussi. Tu tu donnes euh, un peu. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux répondre. Il de souci. Alors, réponds et tu vas nous parler de toi, Boubacar. <laughs> ok. Euh, salut, euh, moi c'est Issouf Sayo Aboubakar. Ok. Donc, à l'état civil. Donc, mon nom d'artiste Abakar Sayo. Uh-huh. <laughs> Voilà. Donc, je suis étudiant en Master 2 en réseau télécommunication. Uh-huh. Ok, donc euh, né au Cameroun, il, attend la partie la plus ah, essentielle. je ne dis ah pas, il dit mon âge, il ne dis pas. <laughs> c'est que je suis plus grand que lui, plus âgé. Ah, tu plus, ah c'est toi le plus âgé. Toi, quel âge hein? Pourquoi tu demandes <laughs> Il le mec, il a 40 ans. <laughs> Seulement. Ah, bah, ah, tu... vas nous parler de ton âge quand même. Et lui, il a 20 ans il n'a pas eu de le dire. Bon, il a 20 ans, mais je peux dire pourquoi je vais dire mon âge. Hein. Dis ton âge. Eh, c'est un ordre, hein, Aboubakar. Ok, ok, j'ai 26 ans. 26 ans. Ouais, j'ai 26 ans. Ils sont jeunes, mesdames et messieurs, <laughs> euh, parce qu'en fait, les jeunes, c'est 18 à 35 ans, ils sont jeunes. Vous êtes aussi jeunes, alors c'est prouvé du par que nous sommes avec des jeunes humoristes, 26, 20 ans. Eh, il n'y a pas de souci, on va parler au maximum de l'humour au Niger. Alors, Yvou je te donne la parole parce que c'est toi le plus gradé. Ok, d'accord, lui, il capote l'émission. On vous a vu sur la toile, vous avez en tout cas beaucoup cartonné, marché sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, il faut parler euh, de tout ça sur cette émission. Mais avant cela, est-ce que tu peux déjà me, raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec euh, Sayo Ouais, bon, de base, lui, c'était un gros fan de moi. Il est fan de toi <laughs> ouais. Il te suivait sur les réseaux sociaux Ok Bon, pas vraiment. m'avait. <laughs> Donc, c'est vrai, il m'avait écrit euh, pour me dire qu'il était trop fan de moi. Wow. <laughs> hey, il la vérité Et qu'il aimerait se lancer aussi dans la comédie. Après, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, tu vas venir, on va faire des tests. Après, on avait commencé. Bon, quand il était venu, il avait beaucoup d'idées dans sa tête. Ah, ah, ah. Mais en fait, c'était, c'était le genre de gars qui avait beaucoup d'idées. Mais il savait pas comment faire pour réaliser ces, trucs-là. Quoi. ok Après, donc, on avait commencé comme ça. On a fait quelques petites vidéos. Et puis, ça avait pris les gens qui fait. Après, voilà, c'est comme ça, c'est venu. Quoi. Ouais, super. Euh, tu te rappelles de l'année ou le moment où hum. vous vous êtes euh, écrit, vous, avez pris contact Ouais, actuellement maintenant ça fait euh, bientôt un, bon deux ans maintenant. Deux Ça fait deux ans, ouais. Ok. Donc euh, en l'espace de ces deux ans, parce que Ivo il avait une vision que comment on appelle sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un que c'est vrai que au début je faisais des vidéos mais pas avec Ibu mais les vidéos qu'il faisait spécifiquement je voulais essayer aussi un nouveau style mais je voudrais vraiment j'ai voulu vraiment quelqu'un qui avait vraiment cette idée avec moi il avait ce qu'on appelle le leadership mhm. le savoir-faire mhm. donc euh, ça me plaisait vraiment de voir quelqu'un donc je voudrais j'ai voulu à tout prix le, rencontrer mais à, ce ah, il aime cette partie, il aime ça. <laughs> Mais lui, ce que ce qu'il avait, euh, par exemple, il y a des gens qui, qui essaient de l'approcher à chaque fois. Mhm. J'avais pas compris ça au début. J'essayais de lui parler. C'était quelqu'un qui disait moi je réponds pas aux messages et tout machin. Et donc j'ai je suis rentré, je suis venu chez lui-même. Mhm. Donc pour le rencontrer, il commençait à faire des vidéos avec lui. Il commençait aussi à se faire des meufs avec lui. Bah mais qui <laughs> <laughs> Où est le plus qu'ils ne font pas ça alors, on va bien évidemment parler. Pas dire aux gens que je ne réponds pas au message. Ah, ah donc, donc, attends. Et du coup, toi, ça fait quoi Deux ans que tu as commencé l'IMO et lui aussi plus de deux ans ou expliquez-moi un peu le truc parce que vous avez pratiquement un an ensemble c'est ce que tu viens en instant de dire ouais. Euh, ça fait deux ans que vous vous connaissez sur la toile mais quand est-ce que vous avez véritablement commencé à, travailler ensemble tu te rappelles à travailler ensemble avec lui oui à travailler ensemble. oui ça fait peut-être un an et demi comme ça ouais, un, an et demi. je pense que notre première vidéo ça date euh, de 18 mois, un truc de 18 mois, avec lui. Hein. C'était quoi la première vidéo La, première, vidéo, c'était, euh, comment on appelle, celui de Boko Haram. J'ai pas peur du de Boko Haram. Ah, on là. C'était ça on <laughs> était là assis à la fada, on était en train de parler. Il dit, moi j'ai peur de rien. Moi j'ai peur de rien. C'est là alors qu'il me répond, ah ah, avant tu n'as peur de rien, n'est-ce pas <laughs> c'est là. c'est Boko Haram, tu n'as pas peur. Oh, c'est Boko Haram, j'ai pas peur, hein, j'ai pas peur. Hein. Ok, d'accord. Et c'est de cette façon que vous <laughs> avez suggéré le truc. Alors, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer un peu euh, comment est-ce que vous êtes suivi sur la toile hein? Comment est-ce que vous, vous, vous organisez pour faire plaisir à, vos fans C'est chaque semaine, c'est hebdomadaire ou c'est quoi le truc Ouais, en fait, euh, Parce qu'on va parler d'une série dans le deuxième angle. Je préfère ne rien dire pour l'instant. Mais je voudrais <laughs> qu'on parle un peu de vos débuts d'abord. Comment est-ce que vous avez su gérer Comment est-ce que vous avez su euh, prendre en compte les considérations de vos fans Bon, tu sais, souvent, la plupart, la plupart des idées qu'on a, souvent, on est là, on est assis. Et puis, genre on est là à, la fada, on discute et puis chacun rigole, tu vois un peu. Mhm. Et après la blague là à laquelle on a rigolé et puis on dit ah ça là est-ce qu'on va pas faire ça en vidéo. Ah ok les idées viennent comme ça. Souvent les idées les plus naturelles c'est comme ça. Vous êtes là, vous savez même pas. On vous, tenez compte de la réalité de. Exactement. on improvise. On ça, surtout ça. Parce que quand tu fais une vidéo et que quelqu'un se sente dans la vidéo, uh-huh. c'est en ce moment il, il, a, interagi avec la vidéo. Ah, avec la vidéo. Et c'est de cette façon que vous avez conquis, bien évidemment, le Niger, parce qu'aujourd'hui, les jeunes vous kiffent. Hein. Les jeunes vous kiffent. Alors, on va finir le premier angle, hein, parce qu'on a déjà parlé de vous. on a une idée de qui est Bakar et de qui aussi est Iboulele. On a une idée de deux mais on a une idée de comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, de comment est-ce que la fusion, est bien évidemment, a marché. Alors, tu as un mot à l'endroit de tous ceux qui kiffent cette émission parce que demain on va se retrouver pour parler euh, d'une série que vous avez lancée il y a cela un mois ou deux mois. Alors, alors quel serait ton message à l'endroit de tous ceux qui kiffent cette émission Tout le monde a sans exception du haut oh, jusqu'en bas. <laughs> Après, on va parler de vos œuvres. Ah bah, il vous commence, ce soir. Hein? Merci beaucoup à tous ceux qui sont là en train de me regarder. Ça ah, fait ah. plaisir. Ouais à vous écouter aussi parce que nous sommes écoutés à travers 45 radios partenaires. Waouh! Wow. tu t'as coupé sous le micro? Parce que je suis trop lent en fait. Ah, c'est un peu bizarre. Hein. Aujourd'hui, vous avez des images un peu bizarres et des plans bizarres parce qu'en fait, je suis avec euh, des humoristes. Alors, tu vas être au même euh, niveau que euh, Aboubacar, c'est ça? Ouais, voilà. Comme lui, il est un peu ah, petit là. C'est pas court. Lui, c'est à cause de lui que les gens croient que je suis court. C'était le premier anglais, les C'était <laughs> la première version de votre rubrique qu'on se prendra plais plaît à Dieu. Demain, demain à partir donc, euh, bien évidemment, de 17h45 sur les radios partenaires euh, pour donc euh, le deuxième angle. Ce serait la machine et les deux flics à Niamey sur l'émission Franco Zarma. C'est bon, c'est bon, c'est fini. C'est bon, mm. c'est bon. Les minutes qu'on t'a données, c'est bon. Voilà. C'est bon. Maintenant, tu peux arrêter. Donc, c'était Studio Kalangu à travers nos 45 radios partenaires. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes aujourd'hui avec Iboulele, Abakar Sayo. Yeah, donc c'était super. On se retrouve demain pour le deuxième angle. Je, peux renverser le hey Non. Comme vous m'avez. Euh, bon, vas-y, vas-y. On ne peut pas dire ça bien comme toi. vas-y. C'était la machine et les flics. Hi, hey. Voilà. <laughs> se você